Suite à une mutinerie déclenchée au sein de l'armée malienne, le mardi 18 août 2020, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDAO, a décidé le même jour de la suspension du Mali de tous les organes de décision de la CEDEAO, conformément au protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, et ce jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel, de la fermeture de toutes les frontières terrestres et aériennes, ainsi que l'arrêt de tous les flux et transactions économiques, commerciales et financières entre les pays membres de la CEDEAO et le Mali. Conformément à ce communiqué, le gouvernement nigérien décide de la fermeture de toutes ses frontières terrestres et aériennes, ainsi que la suspension de toutes les transactions commerciales et économiques avec le Mali à compter de ce jour.